chers euh, auditeurs et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de forum du studio Kalangu, votre rendez-vous quotidien qui vous permet de mieux comprendre des questions d'actualité et de société que vous vous posez habituellement. Ce soir, euh, notre thème euh, est l'éducation nationale privée, quelle euh, réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri. Le droit à l'éducation est un droit contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est reconnu également par plusieurs textes juridiques du Niger, dont la loi portant orientation du système éducatif national Lausanne de 1998. Ce dernier considère euh, l'éducation comme étant un droit reconnu à tout citoyen nigérien sans distinction d'âge, de sexe, d'origine sociale, ethnique ou religieuse. Le système éducatif euh, nigérien est composé d'écoles publiques et privées Aujourd'hui, l'enseignement privé attire de plus en plus l'attention des acteurs de lutte contre la marchandisation de l'éducation qui demandent plus de contrôle de la part de l'État dans la fixation des frais de scolarité. Des acteurs qui au niveau mondial ont commencé à faire du 22 septembre de chaque année une journée de mobilisation contre la marchandisation de l'éducation quelle est la réglementation en vigueur par rapport à la fixation des frais de scolarité dans les établissements privés de l'enseignement général au Niger, quelles sont les perspectives pour mettre l'école nigérienne à l'abri de la marchandisation pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Nous avons le plaisir de recevoir euh, dans ce studio Monsieur Meidawaki Bouhari. Il est le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Al-Mustafa Moussa Ide, il est le président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, et e Il est par ailleurs membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation. Monsieur Saleh Maizombou, il est le représentant de l'Association des promoteurs des écoles privées du Niger. Et enfin, Harun Koni, qui est le représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Voyons tout d'abord euh, la réglementation en vigueur par rapport à la fixation des frais de scolarité dans les établissements privés de l'enseignement général au Niger. Monsieur Meidawaki Bouhari, directeur euh, de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Que prévoit justement la réglementation dans le domaine euh, de la fixation des frais de scolarité au Niger. Merci, Monsieur Deji. Avant d'y aller, permettez-moi de vous faire un bref aperçu historique de l'enseignement privé au Niger. Mm. En réalité, qui date depuis la colonisation, depuis 1949 plus précisément. C'est en 1949 que les premières écoles privées ont vu les jours mm. créées par les missionnaires. C'est ça qu'on appelle les écoles mission. Ils mm-hmm. ont commencé comme ça, mais il a fallu 1970 mm. pour voir les premiers textes euh, réglementaire lancements privé puisse avoir le jour. Mhm. Et la plus grande réforme, que j'allais dire, est intervenue en 1996 par l'adoption d'une ordonnance 96-035 mhm. du 19 juin 1996 mhm. et son décret d'application qui réglemente de manière claire et nette l'enseignement privé. Et en substance, qui a encore été repris par la Lausanne de 1998. Donc euh, voilà. Maintenant, en ce qui concerne votre question euh, sur le fondement sur lequel les fondateurs du privé se basent pour fixer les prix, effectivement, il y a un texte qui a été pris le 10 octobre 1997. C'est un arrêté mhm. de, la ministre de l'Éducation nationale à l'époque, mhm. où l'article premier dit les établissements d'enseignement privé soient libres mhm. de fixer les prix de leur établissement. L'arrêté, on l'appelle même euh, l'arrêté de euh, libéralisation des frais de scolarité. C'est complètement où ça a été mhm. libéralisé. Mais ça veut dire à partir de là, chaque école fixe. Euh, voilà, mais l'article c'est ça Oui, comme elle veut. Mais l'article 2 de du même arrêté dit ceci avant toute augmentation, avant toute fixation pour l'année prochaine, mhm. il faudrait que le fondateur motive cette décision mhm. par en saisissant le ministère de, de l'Éducation nationale sur le mhm. fondement de cette, de cette nouvelle initiative. Ça veut dire que c'est quand l'école veut augmenter, à partir de 1997, euh, euh, qu'on saisit le ministère de tutelle. Il faut, il, faut mhm. que, il faut informer le ministère de l'Éducation nationale sur les, les, raisons qui vous ont motivé à augmenter ces prix-là. Voilà les, ce qu'en dit en substance l'article 2. Mais très malheureusement, et cet arrêté n'est pas du tout appliqué. Mhm. Et aussi, dans les mêmes arrêtés, euh, chaque année, mhm. euh, à la fin de chaque année, les, établissements privés, avant de, de, faire cette euh, augmentation-là, ils doivent faire un rapport. Mhm. Et c'est ce qui n'a jamais été fait. Ouais, donc, il y a, y a, vraiment et peut-être c'est vraiment les, la mots libéralisation là qui les a conduits vraiment à, faire ce qu'ils veulent, mhm. en, ne tenant pas compte du deuxième, euh, et, du deuxième euh, article. Mhm. Et cela a fallu maintenant, en 2020, en 2020 lorsqu'il y a un décret du ministère du Commerce mhm à ajouter sur les, produits stratégiques où l'État a, un droit de regard, mhm. ils ont ajouté les écoles privées. Mhm. C'était le principe de euh, concurrence Voilà, la, libre, la régulation des prix. Il y a mhm. des produits où l'État, c'est lui-même qui fixe les prix. Par exemple, les hydrocarbures, n'est-ce pas Les Hajj, par exemple. Les transports urbains et périurbains. Et ils ont ajouté les écoles privées. Voilà pourquoi c'est dans ce sens qu'il faut comprendre euh, ces, décrets-là. Mhm. Et donc, lorsque le décret a été pris, naturellement, donc, il y aura d'autres textes qui vont venir pour euh, les mettre en exécution. Mhm. C'est pour cela, en août 2021, un arrêté du ministre du Commerce a été pris mhm. pour mettre ces décrets là en application. Donc nous avons commencé à travailler sur la base de cet arrêté. Mais en euh, chemin faisant, on s'est rendu compte des insuffisances juridiques de cette arrêté. Voilà mhm. pourquoi on l'a repris, pour qu'il soit conjointement signé par le ministère de l'Éducation nationale et les ministère du Commerce. <laughs> Parce que c'est vrai, vous avez la, tutelle en ce qui concerne l'éducation, mais en ce qui concerne la concurrence des prix, voilà, ça concerne les consommateurs, donc euh, quand les parents ne peuvent pas s'acheter un produit, naturellement c'est le ministère, du, Commerce, qui dit ce n'est pas normal. L'État a pour rôle régalien de permettre la disponibilité des produits à l'ensemble des consommateurs nigériens. On reviendra sur certains aspects. Merci. Monsieur Salah l'enseignement privé au Niger. Euh, date, il a expliqué depuis 1949, il y a des missionnaires qui étaient venus et qui avaient posé les jalons à travers les écoles en mission. Et vous, vous avez emboîté le pas. Mais quelles ont été les difficultés rencontrées Puisque avant 2020, on avait justement cette impression qu'à chaque année, les parents se plaignaient d'une certaine, entre guillemets, augmentation excessive des frais de scolarité. De quoi s'agit-il réellement Bon, euh, avant de commencer, je remercie le studio Kalangu. Merci à vous également euh, de nous donner cette occasion de nous mhm. exprimer. Bon, euh, vous, savez, cette affaire des frais de scolarité, jusqu'à présent, les Anglais disent shoot in the dark. Mhm. Parce que Ça ce n'est pas encore clair. Voilà, ce n'est pas, clair, ce n'est pas officiel. Parce que mhm. nous, nous attendons un arrêté officiel de gouvernement par rapport à la fixation. Mais maintenant, ce sont des spéculations. Mhm. Effectivement, comme a dit le monsieur le directeur, il y a eu un comité qui avait travaillé, mhm. dont nous étions représentés. Mais jusqu'à présent, il n'y a, y a, pas de conclusion finale. Il n'y a pas de résultat définitif a validé par le ministère ou voilà, validé par le ministère. Certainement, ils sont en train de réfléchir avant d'arriver à cet arrêté, ce qui expliquait cette augmentation jugée très souvent excessive par les parents d'élèves Voilà, bon, et en tant mm. qu'école privée, vous savez, hein, dans tous les cas, tout le monde sait que ce n'est un secret pour personne. Mm-hmm. Euh, les choses, la vie, n'est pas stable. Mm-hmm. Voilà. Le SMIG, par exemple, je parle sous le contrôle du grand frère. Mm-hmm. Le SMIG en 1999, ce n'est pas le même SMIG, même au niveau de l'État, en 2021. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que les écoles, les charges s'accroissent. Par exemple, si vous recrutez un enseignant, il est célibataire, donc il a son salaire brut, etc., et des avantages. Mhm. Un an, ans, ce, célibataire-là, il va avoir une femme, il va avoir des enfants. Lui, ses charges vont augmenter. Donc là, vous êtes obligé de l'augmenter salaire. Le directeur de l'enseignement privé a expliqué que le ministère admet qu'on puisse avoir des augmentations, mais c'est à justifier. Ce que les citoyens, en fait, euh, disent souvent, c'est que l'école privée, on a l'impression que c'est un système de business où les gens commencent à créer des écoles pour vite s'enrichir. Que dites-vous, enfin, par rapport à ça Vous savez, l'école, hein, l'école mhm. n'a pas un but lucratif. En mhm. tout cas, nous, c'est même... Euh, nous étions étonnés de nous voir dans le, dans le comment on appelle ça, être balancé dans le, ministère de commerce. Nous ne sommes pas des commerçants. Mhm. L'école ou bien l'éducation, elle n'a pas un caractère. En fait, c'est un produit. D'ailleurs, l'éducation privée, hein, quand on dit l'enseignement privé, mhm. parce que l'éducation, elle n'est pas privée. Quand on dit mhm. éducation, elle est nationale. Bien sûr, Mais il y a des écoles privées. Et l'école privée, elle est là, c'est pour renforcer l'État dans sa politique éducative. C'est ça le rôle de l'école privée. Nous ne sommes pas des commerçants, etc etc. Donc, pour nous balancer dans le ministère de Commerce. La complication de la chose, si aujourd'hui, on, donc on, nous oblige à être dans le ministère de Commerce, mhm. bon, vous voyez, les gens vont enseigner en français ce, qu'ils ont réussi. Et là, c'est dangereux. Mhm. Et maintenant, euh, euh, suivez hein, les charges aujourd'hui. Je vais résumer mhm. un peu. Il y a le salaire. D'abord, le salaire, si le salaire est stable, si vous avez un enseignant ou bien un personnel que vous payez, etc., etc. il va quitter. Parce que surtout trouve mieux, il va vous quitter. Mm. À part ça, il y a la caisse. Il y a aussi les impôts. Ça fait des années, les écoles nous sommes imposés. Mm. Les impôts, l'État nous impose. Vous n'êtes pas exonéré euh, Non, on n'est pas exonéré. Mm. Nous, nous, sommes imposés. D'ailleurs, vous êtes témoin, il y a des écoles que l'impôt ou la DGI a fermé hein, pour, non-paiement des, impôts. Mhm. Il y a quelques années. Oui, l'année passée. En mhm. tout cas, dans la commune 5, il y avait une dizaine d'écoles qui étaient fermées. Mhm. À part ça, il y a l'entretien des bâtiments, etc. etc. Donc, l'école aussi a besoin d'investir. Il y a le bâtiment, etc. etc. Aujourd'hui aussi, c'est le monde de, de, la, nouvelle technologie. Vous êtes obligé de faire une salle informatique. Tout ça, là, ça demande des coûts. vous êtes... Donc, tout ça, là, ça demande des coûts. Et c'est ça On qui vous comprend bien, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des exagération, vous pensez, de la part de certains Bon, oui, si vous dites exagération, effectivement, dans tous les cas, nous ne sommes pas sains. Il y a des gens qui exagèrent. Mhm. Mais nous, notre grande inquiétude aujourd'hui, en tout cas, on a l'habitude de faire un autre débat. Il n'y a pas un Nigérien qui a créé une école qui est au-delà de 400 000. Mhm. Toutes les écoles que vous voyez aujourd'hui à 800 000, 1 million sont créées par des étrangers au Niger. Mhm. Il n'y a pas ce Nigérien-là où une école dépasse 400 000. Il n'y en a pas, vous pouvez vérifier. Mhm. Ce sont des écoles créées, bon, soit disant par des institutions internationales, ou bien alors par des étrangers maintenant avec un prix exorbitant au-delà d'un million. Mhm. Je parle sous le contrôle du prix. Mhm. On connaît certaines de ces écoles, on ne va pas les citer. Al-Mustafa hein, Moussidé, quelle est l'importance euh, de ce travail de contrôle de l'État par rapport euh, à ce principe pour que l'école euh, soit une réalité pour tout le monde, c'est-à-dire accessible à tous J'aimerais eh, que nous nous comprenions sur le, thème. Le, directeur, en, évoquant, a dit qu'aujourd'hui, eh, l'éducation est un droit fondamental universel mhm. reconnu. Pour garantir ça, notre pays a ratifié presque toutes les conventions mhm. irrelatives. Mhm. Et notre loi fondamentale aussi l'a magnifiée, en tout cas à travers certaines dispositions. Et nous, au niveau de ASOEPT parce que ept est membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation. Hum. Ce réseau, en 2016, a eu à lancer un appel hum. euh, au niveau des chefs d'État francophones. Vous avez ici une copie de la déclaration, je mets à votre hum. disposition. Que vous avez appelé appel de la, société, civile contre, la, marchandisation, de l'éducation. Parce que le constat que nous avons eu à faire, particulièrement dans la zone francophone. Mhm. Parce que ce qu'on a connu au niveau du Kenya, au niveau des autres pays, est en train de venir dans la zone francophone, mhm. où c'est des firmes, c'est des institutions internationales, comme le représentant des fondateurs a dit. On leur permet de venir s'installer dans nos pays et on fait de l'éducation une affaire de business. Mhm. Mais pour ces grandes écoles, très souvent, il faut le préciser, c'est des enfants, des ressortissants de certains pays. J'arrive. Mais ici, il eh, s'agit de parler de l'école qui est destinée à l'ensemble des Et on a fait le plaidoyer mhm. au niveau des chefs d'État. Mhm. Et lors de la rencontre en 2016, mhm. toujours au niveau vous voilà ce que le constat que les chefs d'État ont. Je vous lis leur constat. On dit constatant le développement des établissements scolaires et éducatifs à but commercial, et attaché à une éducation publique gratuite et de qualité pour tous, nous demandons à l'OIF et à la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, en collaboration avec la société civile, de poursuivre la réflexion abordée lors du sommet de Kinshasa en 2012 mmh. et de prendre des mesures pour promouvoir les dispositions institutionnelles efficaces de régulation des acteurs privés de l'éducation afin de garantir la qualité et l'équité des services éducatifs. Mm-hmm. Et là, pour encore se, conformer à cet engagement, mm-hmm. c'est là où nous, nous saluons notre gouvernement et des dispositions ont été prises, notamment le décret dont le directeur a, a parlé. Mm-hmm. Après le décret, il y a eu l'arrêté. Et c'est là où nous, nous n'avons pas compris effectivement pourquoi l'État devait classer l'éducation comme un produit marchand Le ministère du Commerce ne devait rien avoir avec ça et en laissant uniquement le ministère de l'Éducation nationale prendre les dispositions avec les fondateurs, on allait trouver. À partir de cet instant, notre même État s'inscrit dans Mais la qui logique. J'arrive alors parce que non, on arrive. Le ministère mhm. de l'Éducation nationale est là. Mhm. On ne peut pas, euh, nous, on, ne peut pas considérer l'éducation comme le pétrole, mhm. comme une, une, marchandise, Michel. Donc c'est à partir de là, nous, nous avons à l'époque adressé une lettre au, je pense que même c'est à son excellence, le premier ministre. Ah, Faites attention. Cette affaire-là, ce n'est pas une affaire du ministère du Commerce. C'est une affaire du ministère de l'Éducation nationale au vu des engagements des chefs d'État, au vu d'un certain nombre de dispositions, mhm. y compris ce qu'on appelait les principes d'Abidjan qui réglementaient tout. On est parti dedans, effectivement, et le travail avançait. Et nous, on a eu à dire, même dans certains espaces, pour dire qu'au Niger, la privatisation de l'éducation, ce n'est pas comme ce que vous faites. Parce que nous, les privés contribuent à, comment à améliorer la scolarisation, contribuent euh, de façon vraiment importante dans, dans, dans, la scolarisation des choses. Ça, nous Concrètement, est-ce que vous considérez cette privatisation comme étant une marchandisation euh, au, vu, de ce qu'on est en train que vous, utilisez au vu de ce qu'on est en train d'observer, au vu de ce qu'on est en train d'observer, on tend vers ça. On n'est mhm. pas arrivé. Mhm. Mais on, tend vers ça, mhm. parce que euh, c'est là où on va demander à, à l'État d'être véritablement regardable. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. connu représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, à votre niveau, quelle appréciation en ce qui concerne les frais de scolarité des enfants sur l'ensemble du pays Le thème de notre débat aujourd'hui, mhm. vraiment, c'est un truc qui est venu au moment qu'il faut, mhm. normalement. Parce que la retraite, c'est dans peu de temps. Et jusqu'à présent, nous, les parents, nous maîtrisons pas jusqu'à présent ce qui a d'être fait mhm. au niveau du système éducatif. Mhm. On parle d'augmentation de, prix d'inscription dans d'autres établissements, on dit dans d'autres Vraiment, voilà, voilà. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas clair. <laughs> Donc, ça veut dire au niveau du bureau de l'association des parents d'élèves, est-ce que vous avez reçu des plaintes par rapport à ça Des parents qui se plaignent pour dire qu'il y a eu augmentation par rapport à ces frais de scolarité, justement euh, Ça, je n'ai même pas besoin de dire au bureau des parents d'élèves. Même chez vous, vous, recevez. Même eux, ceux de l'administration, mhm. eux-mêmes le reçoivent, ces, choses. Moi, je pense que vraiment, c'est un problème qui concerne tous les Nigériens mhm. et on doit s'asseoir sur une table et B, étudier cette situation de l'école nigérienne qui tend à prendre une autre disposition. Parce que si on ne maîtrise pas les prix d'inscription dans les établissements privés, ça risque de prendre une autre tournure. Parce que chaque quand on dit établissement privé, les établissements privés, les gens vont, penser que ce sont les mêmes. Mmh. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans les autres établissements par rapport aux autres. Donc c'est une grande campagne de sensibilisation qu'il faut faire. Hein. Même ceux qui vont augmenter les prix, il faut savoir sur quel thème et qu'est-ce qui les a autorisés à augmenter ces prix c'est pas du n'importe quoi qu'on doit faire de ce pays. On doit, on doit quand même. Y a ne doit pas faire euh, du n'importe quoi. Merci ah. beaucoup, monsieur le <laughs> directeur de l'enseignement privé. Par rapport à ça, quel élément euh, Oui, j'étais en train de. D'éclaircissement voilà, vous apporter par rapport euh, d'abord aux écoles où on a, on le sait bien, des forts montants qui sont payés en, termes de frais de scolarité. Et comment ça se passe en réalité Je vous ai dit, mhm. j'ai rappelé les dispositions de, de l'arrêté 357 du 7 euh, pris par le ministère de l'Éducation nationale le 7 euh, octobre 1997 qui libéralise les prix. Donc mm-hmm. c'est fondant de, ce, de cet arrêté-là mm-hmm. qui est le fondateur fixe les prix. Mm-hmm. Voilà, j'ai vu Donc, maintenant, on a décidé à partir de 2020 de réguler ces prix-là dont il a parlé. Donc vous, la régulation ici consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation, c'est ça Non, non euh, j'ai dit, tout à l'heure, le, Asso EPT mhm. l'a, déploré le fait que les écoles privées sont gérées, euh, enfin, c'est comme s'ils sont maintenant au ministère du Commerce, ou bien c'est les fondateurs. Mhm. Euh, les fondateurs. Mhm. Je vous informe que jusqu'à, jusqu'aujourd'hui, les écoles privées, ils ont une seule tutelle. C'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est lui qui assure la tutelle administrative et pédagogique. Maintenant, c'est en ce qui concerne l'aspect prix. Et là, c'est une attribution exclusive du ministère du Commerce. Mhm. Et voilà pourquoi c'est ça, je vous ai dit, il y a eu euh, une, difficulté euh, juridique d'appliquer l'arrêté là. Mhm. Voilà pourquoi on l'a rectifié en les mettant à la signature de deux ministres. Maintenant, hein? comment faites-vous pour euh, Maintenant, bien contrôler Maintenant, j'arrive, j'arrive, mhm. je, vais venir. Donc, en juin, le comité a été mis en place avec eux avec la société civile, même les parents de l'élève font partie. On a, on a fait ce travail-là on a proposé, on a fait une grille, Les grilles d'ailleurs, on a classifié tous les établissements privés du Niger. Tous, hein, mhm. de, la, de la maternelle jusqu'en terminale. Mhm. Le travail a été achevé le 31 juillet. Parce que lorsqu'on a fini, euh, les travaux techniques a été assuré par le ministère de l'Éducation nationale. On a fini les travaux techniques, on a remis les conclusions les 31 jours au ministère du Commerce. Mhm. ça notre mission a pris fin. Maintenant, la fixation du prix, ça revient au ministère du, Commerce. Et là-bas là, -bas aussi, ils ont leur technique. Mhm. Ils, ont leur mécanisme d'évaluation. Que dites-vous lorsque SOEPT dit, par exemple, que cela ne devrait pas normalement être du ressort du C'est leur attribution. C'est leur mhm. attribution. C'est le gouvernement qui leur a donné leur attribution là. Mhm. Ça, ça nous, ça, c'est vraiment ça, ne nous regrette pas. C'est mhm. La même chose que le ministère de l'Éducation nationale. À son attribution, le ministère du Commerce a, les siens. Donc on ne peut pas. C'est le gouvernement qui leur a donné mhm. cet avantage-là. Mais si nous aurons besoin des intrants, des informations par rapport au fonctionnement mhm. ou à la catégorisation des établissements privés, c'est nous qui leur fournissons ces, informations-là. C'est ça. Maintenant, les parents d'élèves ont dit une chose très inquiétante. Et jusqu'à présent, nous, et même ce matin, j'en ai parlé, c'est-à-dire le 1er septembre dernier, 2022, les deux ministres ont signé une lettre circulaire qui, intimait l'ordre aux fondateurs de sursoir à toute augmentation jusqu'à la sortie du conclusion de cette lettre. Cette hein. circulaire a circulé, mais est-ce que. Euh, non, j'arrive, je n'ai pas fini. Mhm. Maintenant, ça, a été euh, euh, validé dans toutes les directions régionales mhm. qui sont en charge d'informer les promoteurs et tout le monde est au courant. Mhm. Maintenant, c'est l'application. Nous, nous, nous sommes, euh, on ne peut pas aller faire les gendarmes. Tant qu'on n'est pas venu nous informer de cette situation-là, nous, on ne peut pas agir. Ce matin même, j'ai dit. Il faut aller vers vous, c'est-à-dire oui, Par exemple, les parents d'élèves qui vont mhm. va inscrire son enfant. Par exemple, j'ai fait une école X. L'année dernière, j'ai payé 5 000 francs mhm. ou 50 000. Et cette année, on me dit, payer 70 000. Mais, mais, mais sachant le contenu de, cette, lettre-là qui dit de ce soir, mm. donc en toute logique, le fondateur ne doit pas ne doit pas augmenter. Donc il faut informer qui Il faut informer les autorités. Mm-hmm. L'année dernière, je vais vous. Est-ce que vous avez prévu des sanctions Mais on, peut, on peut sanctionner. On, peut... Quelles sanctions vous avez prévues, par exemple Monsieur Deji, <laughs> on peut même fermer l'établissement. <laughs> Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Saleh On peut même le fermer. <laughs> Parce que ça, c'est une violation d'instruction officielle de deux ministres. Oui. Donc, j'ai dit, mm-hmm. jusqu'à présent, nous attendons. Les gens parlent, mais on n'a qu'à nous donner des preuves. Ils, mm-hmm. vont voir comment on va agir. Mm-hmm. Ils n'ont qu'à nous amener des preuves. Ils vont voir comment nous allons agir. Mais jusqu'à présent, on dit, on a augmenté. Mais qui a augmenté Donnez-nous un seul cas. Vous allez voir comment on va agir. Mais comme ça, dans l'obscurité, on ne peut rien. Monsieur Moizumbu, représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, il a expliqué qu'il y a des preuves, en tout cas selon lesquelles on aurait, euh, malgré cette circulaire en date du 1er septembre 2022, vous demandant de ne pas augmenter sur les frais de scolarité on aurait appris qu'il y a donc euh, des établissements scolaires qui ne respectent pas cette euh, circulaire, il faut le dire, euh, à laquelle vous êtes assujetti, puisque ce sont les autorités qui vous donnent quand même cette autorisation d'exercer. Pour le moment, il n'y a mhm. pas de plainte. Comme il n'y a pas de plainte, c'est respecté à 100%. Mhm. Voilà. Mais est-ce votre souhait au niveau de l'association des fondateurs d'écoles privées Bon, vous savez, que ça soit respecté à 100%, hein, si puisqu'il y en a euh, qui se plaignent parfois parce que nous, un moment, donc vraiment, nous avons même des illusions quoi. Il y a mhm. vraiment un acharnement contre mhm. les écoles privées, parce mhm. que vous voyez, d'abord ça a commencé par l'impôt, mhm. la suspension aussi des subventions. Le directeur peut témoigner, depuis maintenant, les années 2000, il n'y a pas de subvention. Depuis 1998, à un moment, les écoles privées étaient subventionnées. Comme j'ai dit, eh, c'est l'école qui est privée, mais l'éducation n'est pas privée. L'éducation n'est pas privée. La preuve en est que les élèves que nous formons, c'est l'État qui organise les examens, etc. etc. Et puis, il ne faut pas oublier, Michel, hein, et les fondateurs, hein, nous sommes le deuxième employeur après l'État. Hein. Mm-hmm. Oui. Nous sommes le deuxième employeur. Vous pouvez vérifier après l'État. Mhm. Dans une école, vous avez les enseignants, vous avez les surveillants, le personnel auxiliaire, etc. Vous êtes l'un des plus grands employeurs, voilà, on va dire. Et nous, nous pensons Mais que. pour dire vous êtes le deuxième, il faut des statistiques qui le prouvent. Et vous pouvez vérifier. Oh, comment on va vérifier, Il faut qu'il y ait une institution. L'ANP, etc. Mhm. Donc, voilà, euh, nous pensons que l'État ne va pas prendre, en tout cas, une mesure qui va, qui nous asphyxier et mhm. aussi asphyxier les gens avec lesquels nous travaillons. Euh, voilà. Ensuite aussi, il y a aussi mhm. euh, un des, camarades qui a parlé de la contribution aujourd'hui. On sait que l'école privée aujourd'hui, elle contribue, en tout cas dans le système éducatif nigérien. Mhm. C'est vrai, quand on prend par rapport à l'État, euh, c'est minime, mais c'est par rapport à, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup des élèves qu'on récupère, qui sont renvoyés de l'école publique. Si c'est pas à cause de ces écoles privées, peut-être ils allaient être des hommes de la rue. Mhm. Mais l'école privée les récupère. Et moi, vrai, je crois que c'est l'école voilà, privée joue un rôle important. Il faut donc euh, contribuer à son essor et faire en sorte que euh, ça fonctionne dans les meilleures conditions. Vous avez bien compris. Nous entamons à présent la dernière partie de ce forum du studio Kalango de ce soir ayant pour thème l'éducation nationale privée, quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri. Et c'est donc pour à présent parler des perspectives des acteurs du système éducatif nigérien pour mettre l'école nigérienne à l'abri de la marchandisation tout en l'aidant à jouer pleinement son rôle dans la promotion d'une éducation de qualité pour tous au Niger. Al-Mustafa Mousside, quelles sont vos recommandations à ce sujet Merci, Michel. En tout cas, l'éducation, c'est le rôle légalien de, l'État. Mhm. C'est à l'État, effectivement, d'assurer cette mission. Force est de constater qu'effectivement, il y a des difficultés. Mhm. Mais nous, en tant qu'acteurs de la civile, c'est de faire le plaidoyer qu'il faut pour que l'État puisse véritablement accomplir Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à, à, côté de l'État, mhm. il, y, a aussi le rôle éminemment important mhm. que jouent eh, les, fondateurs des établissements privés. Mhm. Mais là où eh, Michel le, bas blesse, eh, c'est qu'on a l'impression qu'il y, a deux poids, deux mesures. Et, l'État est en train d'observer l'installation des, écoles privées marchandes. Et ça, sous ce plan, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train d'être dit. C'est dans cette perspective que euh, le réseau francophone euh, contre la marchandisation de l'éducation qui est composé de 317 organisations, a, hmm. en tout cas a initié pour la deuxième fois la journée du, 22 septembre, cette hmm. journée comme journée euh, de, mobilisation, contre, la, marchandisation, de l'éducation. Et le thème choisi cette année, c'est hmm. l'état des lieux de la privatisation de l'éducation en Afrique, regard croisé. L'objectif qu'on vise à travers cette journée, c'est d'inciter les parties prenantes de l'éducation, notamment le ministère de l'Éducation nationale, mhm. les acteurs de la société civile, les institutions internationales, partenaires techniques et financiers, mhm. etc., à valoriser l'enseignement mhm. public. Ensuite, valoriser et partager le travail de la société sur la lutte contre la marchandisation de l'éducation. À ce niveau, ASSO a mené des recherches, des études. Je peux vous prendre aujourd'hui un exemple. Euh, des écoles, des, nouveaux quartiers. Ce matin, j'ai eu à le dire lors de la rencontre des cadres de concertation. Il y a des nouveaux quartiers. Niamey a grandi, y mhm. compris les autres villes. Mhm. Mais vous allez constater qu'il n'y a pas d'école publique. Et c'est les, privés qui partent là-bas. Et c'est les privés qui créent des écoles. Les privés mhm. euh, créent des, écoles, c'est pour soutenir l'État. Non, à ce niveau, nous estimons que eh, l'État aussi, dans le cadre de l'aménagement même de la ville et autres là, tous ces espaces-là sont prévus. Pourquoi l'État ne, crée pas l'école publique avant que le privé mm. ne vienne s'installer Et autre chose, c'est que continuer à interpeller les, États francophones sur la croissance euh, sans précédent des acteurs privés mm. dans l'éducation et la nécessité mm-hmm. de réguler ces acteurs-là. Et c'est ce qui nous a amené effectivement à. Euh, Ça veut dire que vous convenez qu'il faut que euh, ces écoles privées existent, puisque chaque année, il faut rappeler que dans le système éducatif nigérien, en tout cas, uh-huh. on n'accepte pas le redoublement deux fois pendant le même cycle. C'est-à-dire au collège, si vous redoublez en cinquième, en quatrième, vous redoublez, on vous chasse et donc vous êtes exclu. je, dis, mm-hmm. le, nous, j'ai eu à le dire, eh, en 2014, on était à Ottawa, mhm. où les, les, premiers débats ont commencé à être posés. Mhm. Nous, nous avons défendu qu'au Niger, ce n'est pas les gens du privé qu'on a connus ailleurs. Mhm. Au Niger, c'est vraiment des privés qui contribuent eh, dans l'éducation de la jeunesse. Et je me rappelle lorsque un, ancien ministre a voulu à un moment eh, fermer, en tant qu'à l'époque syndicat d'enseignants, nous nous sommes opposés à la fermeture de écoles publiques parce que c'est des Nigériens qui vont être privés mhm. de, de, leurs droits. Mhm. Donc, nous, eh, c'est ce plaidoyer global-là, mhm. Michel, qu'on est en train de mener. Que l'État joue véritablement son rôle et que nos, nos, nos, nos frères qui ont créé effectivement ces établissements privés, l'État puisse les appuyer et leur permettre effectivement de véritablement jouer leur, leur, rôle, le rôle qu'ils continuent mhm. à jouer. Parce qu'il y a un rôle de promotion d'une éducation, pour de tous qualité et non de et business. De, de pour mhm. arrêter et, non donner de la valeur à, ces écoles-là qu'on nous parachute de, de, l'extérieur. Mhm. Je dis, on a des, les Turcs à démontrer démontré qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène en train de, gangrener notre système éducatif. Mhm. Eh, les écoles créées par des, des, des, institutions, mhm. les écoles créées par des, des, films, ça nous allons nous Mais très souvent, il faut le préciser, ce n'est pas destiné en fait à l'ensemble des citoyens. Michel. Nous avons des États qui ont des écoles, on le sait, et mhm. on met les moyens. En fait, ils ne sont pas là pour se défendre. Qui est bâti sur, sur des textes. Il ne peut pas avoir un État et, deux choses là. On leur applique les mêmes lois. le directeur veut donner des petites précisions. Même sur, avant, que le donc, en quelques euh, secondes. ce sont des... Voilà, ok. Michel, ah. donc vous voyez, c'est ce grand plaidoyer que nous sommes en train de mener pour véritablement qu'on puisse arrêter la marchandisation. Merci beaucoup. C'est donc un appel. Euh, on va écouter le représentant donc, euh, de l'association des parents d'élèves. À votre niveau, quelles sont les attentes par rapport justement à cette grande problématique de fixation de prix au niveau donc, euh, des écoles Au niveau des parents d'élèves, mhm. c'est pas, le problème, ce n'est pas le problème de l'augmentation des prix. Mhm. Nous, ce que nous cherchons, c'est une éducation de qualité. Mhm. Il faut que l'école nigérienne puisse produire des éléments comme on en connaît les années passées. Parce que avant, je me rappelle, nous, quand on était au truc là, quand on dit quelqu'un part dans une école euh, privée, <laughs> il y a des noms qu'on leur hmm. hein? donne. La on pense c'est les mauvais, les ah, brillants. On les avait dans des écoles euh, hmm. publiques. Et hmm. on les redresse, normalement. Et Vous pensez que ce n'est plus le cas Non, mais si eh, il n'y a, y a pas assez de différence entre les écoles publiques et les écoles privées, à quoi bon Parce que tu as été revoir de l'autre côté, on va, on va, te prendre de ce côté. Normalement, ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent quelque chose. Les établissements privés doivent avoir des enseignants de qualité mhm. comme ceux du public. Mhm. Parce que si on fait le contrôle en bonne forme il y a beaucoup d'enseignants du privé qui vont partir. Mhm. Hein? Parce que c'est pas de, Merci beaucoup. Mais la première des choses maintenant, il faut que l'État veille que vraiment à ce que tout les enseignants qui que ce soit au public ou au privé, quelle est leur autorisation d'essayer. Mhm. D'abord, c'est primordial. il faut que les normes soient respectées. Merci beaucoup. les, les normes des classes aussi, il faut que ça soit mhm. respecté. Monsieur Medawaki hein? Boari, il a expliqué la question euh, de la crédibilité même en fait de l'école euh, publique. Avant, c'est vrai, beaucoup font cette remarque que euh, l'école publique n'inspire plus confiance pour emprunter des mots. Moi, je pense que alors que, en fait, quand on prend les résultats de fin d'année, qui sont très souvent publiés par euh, votre ministère d'ailleurs, on a l'impression qu'on a euh, cette tendance justement où ce sont les écoles euh, privées qui obtiennent les plus importants taux de réussite, alors que ces écoles privées ont beaucoup d'élèves. Quand on prend au BPC, par exemple, l'année passée, les écoles privées ont présenté jusqu'à environ 35% hein, des candidats, avec 7% de candidats libres. Donc, euh, les écoles publiques ont environ la moitié. Quoi. Oui, et donc, euh, monsieur Deji, j'ai voulu euh, répondre à cette polémique-là sur les établissements mhm. créés par des étrangers. En mhm. réalité, ce n'est pas comme ça. Mhm. Les établissements, là, ce sont des établissements qui sont homologués les plus souvent, homologués par, la, par, par certains pays. Est-ce que vous voyez donc des établissements qui reçoivent des enfants, mhm. des expatriés, des Parfois, il y a des normes internationales. Je connais des écoles Quand il faire un, dire si tu vas dans tel pays, va dans telle école. Pourquoi mhm. l'ordonnance 96035 mhm. a prévu ça, euh, l'article 8, qui permet à un promoteur de demander une dérogation pour enseigner un programme autre que le programme nigérien. Mhm. Et ce sont ces établissements-là mhm. qui sont hors catégorie. Euh, souvent, le programme, c'est conçu ailleurs. Hein, c'est vraiment étranger. quoi. Mhm. Voilà pourquoi ce, sont ces établissements-là qui sont hors catégorie. Est-ce que vous voyez, ils ont une dérogation pour enseigner un autre programme autre que le programme nigérien. Monsieur le directeur de l'enseignement privé, rapidement les perspectives, il explique que euh, la question de l'école publique même, est-ce qu'aujourd'hui elle non, elles confiance. sont, les perspectives sont heureuses. Mhm. Elles sont très heureuses d'ailleurs. Vous allez euh, euh, contribuer parce que, faut vous renseigner. à améliorer cette qualité. le gouvernement s'est engagé dans une vaste réforme. Mhm. Actuellement, le président est aux États-Unis. Mhm. Il faut suivre son discours. Il est aux États-Unis. Les ministres de l'éducation, les grands responsables de, l'éducation nationale, mhm. les, sont aux États-Unis par rapport à cette question-là. Mhm. Et je vous informe que l'effort qu'on a commencé mhm. il y a deux ans de cela, si on continue les mêmes efforts, je vous informe, peut-être on ne sera pas témoin. Parce que l'éducation, c'est pas euh, les effets ne doivent pas, ne seront pas sensibles maintenant tout de suite. Les réformes les effets vont sentir sur une génération. depuis, la génération depuis 2011, euh, par exemple, il a été déclaré que oui. l'école est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Est-ce que cela pourra être un jour une réalité, vous pensez mais, Gratuité et obligatoire jusqu'à 16 ans. vous n'avez pas vu les effets L'indice IDH qui a, accru, on a dépassé combien de pays C'est les efforts de trois. Non Donc si on continue, si on continue, si on continue. non, non on a, pendant plus de 30 ans, nous étions derniers. Mhm. Dernier ou avant-dernier Non, dernier. Mhm. Maintenant, il y a 10 ans de cela, on a reculé. Maintenant, si, on a, avancé de moins. Non, de toutes les façons, même si c'est un petit pays, on a fait. On a on un bon. Mhm. Et je suis sûr que les mêmes efforts, si elles continuent, elles se consolident, dans 10 autres années, je vous informe que peut-être c'est pas de 3, on va aller à 10. Mhm. Et peut-être d'ici 50 ans, peut-être toi tu peux être témoin. Mhm. je suis sûr que l'école privée même reviendra à son stade de 1960, Ou c'est peut-être quand tu vas à l'école privée, tu vas te cacher. Mhm. C'est comme ça. moi, je dis que les, perspectives sont heureuses. Et avec euh, le dynamisme des autorités actuelles, les réformes qui sont engagées dans le secteur euh, de l'école, je suis sûr que si les mêmes, si le cap est maintenu, mhm. je suis sûr que la crédibilité, la, crédibilité va revenir. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Monsieur Maizumbu, représentant de l'association des fondateurs euh, d'écoles privées du Niger, euh, le mot qui est là unanime, c'est qu'il faut éviter la marchandisation de l'école, puisque l'éducation est un droit. Elle ne doit pas être vendue. L'État vous donne l'autorisation pour pouvoir l'aider il faut donc euh, qu'il y ait des frais raisonnables pour la scolarité de tous les enfants en âge d'aller à l'école. Quel est votre appel dans ce cadre moi je ne sais pas par où commencer hein, parce que je vois que les gens veulent une chose et son contraire. Hein. <laughs> Avoir la qualité de l'éducation en même temps casser le prix parce que si je comprends les parents d'élèves, ce, sont des mhm. choses qui ne vont pas de pair. Regarde, on était frappé par l'impôt. Hein. Ni les parents d'élèves ni la société civile n'a pas réagi. Hein. Mhm. Les écoles sont imposées à des millions. Et quand on dit, mais, c'est visible, ah. on vient, on ferme une école, quand même ça c'est visible. Mhm. Nous sommes imposés, donc on n'était pas soutenus. Mhm. Donc la, subvention, vous, vous êtes témoin, elle est supprimée. Donc vous, ne faites pas de plaidoyer au niveau de l'État pour au moins que la subvention revienne. Maintenant encore, même les frais qu'on les gens veulent qu'on casse. Donc finalement, euh, je ne sais pas, hein, c'est notre femme qu'on veut ou bien je, moi, je ne sais pas. Hein. Mhm. Voilà. Maintenant, pour euh, vous, parler des solutions, hein. bon, il y a des gens qui parlent de, vous avez parlé de l'école publique, mhm. c'est vrai. Moi, j'évolue dans le privé, mais je suis contre cette expression qu'on dit la situation de l'école publique et de l'État. Moi, je suis un produit de l'école publique. Mhm. ouais, D'ailleurs, nos meilleurs enseignants, hein, je le dis, il ne faut pas se le cacher, même au privé, les vacataires, ils viennent du public. Mhm. tu ne Vous faites pas, tout d'ailleurs tu ne peux pas faire mieux que l'État. C'est vrai, nous, nous avons un mhm. environnement qui permet d'avoir, parce que nous avons un effectif réduit, un environnement qui permet d'avoir des bons résultats. Mais dire vouloir faire plus que l'État, ça, c'est une, utopie. Vraiment, il faut être réaliste. Ça veut dire que normalement, l'État doit faire plus que vous. Voilà, mais l'État doit faire plus que nous. même plus que voilà, parce que Mais les résultats ne prouvent pas cela, c'est ça la galère. les, les résultats de fin d'année, en fait. Les en train de t'expliquer pourquoi. Mhm. Nous avons un effectif réduit. Voilà, nous avons un mhm. effectif Très réduit. Donc, si tu as une classe de 24 euh, il est par exemple, nous, lorsqu'on était au mhm. lycée, par exemple, on était... Ça veut dire que tout cela doit faire partie. Voilà, de la qualité. Voilà, des réformes. Merci beaucoup. Des réformes, ça va venir. Merci beaucoup. Voilà. Ah, ah, eh terminé, puisque nous sommes au terme de ce forum Voilà, donc, toujours par rapport euh, aux solutions, il y a vraiment l'encadrement sont bien encadrés administrativement et pédagogiquement par l'État. Mhm. Ça, il faut le reconnaître. Mhm. Mais nous, sommes nous sommes convaincus que ça se poursuit voilà, qui est plus d'encadrement. Ouais, ça, pédagogiquement, hein, donc pédagogiquement. Ensuite, euh, maintenant, euh, il y a des difficultés, on a parlé des impôts. Nous, nous sommes imposés. Tout ça, c'est abordé déjà. Voilà, Merci beaucoup. Voilà, on me dit que nous sommes, il ne nous reste qu'une poignée de voilà. Maintenant, il y a aussi la passe, le directeur est là. c'est des appels, on espère que, vous avez, ce qu'on veut, ne pas décider de nous sans nous. Ce qu'on veut vraiment qu'on soit concerté. Merci Parce beaucoup. Parce que c'est nous qui gérons nos Merci. nous connaissons nos charges. Vraiment, de ne pas décider de nous sans nous. Merci On a, toujours travaillé avec vous. Merci. Le comité sur la fixation des prix, il y a les, les fondateurs dedans. Merci. Fidèles euh, auditeurs euh, et téléspectateurs euh, des cette télévision et des 52 radios partenaires des programmes du studio Kalango, nous sommes au thème de ce forum qui a eu pour thème l'éducation nationale privée, quelle réglementation pour mettre l'école nigérienne à l'abri. Ce qui a été dit et redit à ce niveau, c'est que l'école ne doit donc pas être vendue l'éducation nationale, c'est une affaire de l'État. L'État doit veiller à faire en sorte que les frais de scolarité soient donc euh, bien réglementés. Il doit y avoir donc euh, de suivi et de contrôle euh, permanent afin donc de ne pas marchandiser cette éducation qui constitue un droit selon la Lausanne, mais également selon l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui fait de l'éducation un droit fondamental et inaliénable pour toute personne. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie de M. Maïdawaki Boari. Il est le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale. Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO EPT, et membre du réseau francophone contre la marchandisation de l'éducation. Saleh Meizumbu, il est le représentant de l'association des promoteurs des écoles privées du Niger. Et notre quatrième invité est Haruna il est le représentant de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustapha Ayouba et de Laoli Issa. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.